le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans le respect mutuel. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui émettent dans les 8 chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozirine, de Bouza, Tamaské, Mainasoroa, Magaria, mayayi birnin gaure dorbel isai Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré à la grogne au niveau de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap. Une grogne née de la création au niveau du ministère de la Population d'une direction d'assistance aux groupes vulnérables en lieu et place de la direction en charge de la promotion des droits des personnes handicapées et de la protection des personnes âgées. Un fourre-tout en somme pour certains observateurs. Avec nous ce soir pour euh, développer euh, ce thème, Mohamedou Oumarou, secrétaire à l'éducation et à la formation à la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap. Nous avons également dans ce studio Oumarou Barmou, président de l'Association des handicapés et locomoteurs. Présentez-nous brièvement vos structures, euh, quelles sont les missions ou les objectifs euh, poursuivis. Euh, merci beaucoup, M. Mokhtar. Je remercie aussi le studio Klangou pour cette opportunité qui nous est offerte afin de discuter des problèmes des personnes handicapées au Niger. La Fédération nigérienne des personnes handicapées que je représente ici est un regroupement de 20 structures, c'est-à-dire ONG et associations des personnes handicapées. Cette fédération a été créée en 1992 et a eu son arrêté de reconnaissance en 1998. Elle a pour mission de faire le plaidoyer pour l'adoption ou l'élaboration de textes inclusifs au profit des personnes handicapées au Niger. Mais aussi, elle sensibilise les personnes handicapées, la communauté et les familles des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées. Aussi, elle renforce les capacités des organisations membres, c'est-à-dire les organisations des personnes handicapées qui sont membres de la fédération. La fédération renforce leurs capacités. Et elle travaille avec un pléthore de partenaires ce sont l'Union européenne, CBM, Handicap international, et au niveau étatique, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la population, et nous travaillons avec le ministère de l'éducation. Les quatre ministères de l'éducation, on travaille avec ces ministères-là, le ministère de l'emploi et le ministère de la fonction publique aussi. Donc, euh, en un mot, votre fédération se porte bien aujourd'hui En tout cas, du point de vue organisationnel et institutionnel, la Fédération nigérienne des personnes handicapées se porte très bien et d'ailleurs, elle, euh, vu son leadership, elle préside aux destinées de la Fédération ouest-africaine des associations des personnes handicapées, c'est-à-dire la FOAF. Et elle préside aussi au destinées du Forum africain des associations des personnes handicapées, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le Niger qui conduit la présidence des organisations des personnes africaines au niveau africain et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et notre président il est conseiller spécial du président de l'Organisation mondiale des personnes handicapées. Donc vous voyez, ça c'est le leadership de la Fédération nigérienne des personnes handicapées qui nous a valu tout ça là. Et parce qu'en amont, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées, sur lesquelles je vais revenir un peu plus, plus tard. Et Barmou, vous, vous êtes le président de l'association des handicapés locomoteurs. Euh, présentez-nous votre structure. Bonsoir et merci, M. Mokhtar. Je saisis euh, cette euh, opportunité pour dire euh, merci. Merci au studio Kalangou d'avoir pensé à notre cher groupe vulnérable, c'est-à-dire les personnes handicapées. Donc, comme vous l'avez dit, moi, c'est Barmou Omarou. Je suis financier des formations, je suis un fonctionnaire, je suis au ministère des Finances. Comme vous l'avez aussi rappelé, je suis le président de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs. Mon association est membre de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, donc moi-même j'occupe le poste du secrétaire à l'emploi et à la jeunesse. Alors, euh, il faut rappeler que euh, l'association nigérienne des handicapés locomoteurs, l'ANHL, fait partie de l'une des associations qui était née dans une période euh, particulièrement difficile parce que euh, l'association des personnes des handicapés locomoteurs a eu son arrêté le 12 euh, septembre 1983. Vous voyez déjà que ça fait plus de presque trois décennies que nous sommes là à œuvrer aux côtés des personnes handicapées. On peut dire que cette association a eu à poser ses tout ce qu'il y a comme euh, l'acquisition des droits, elle a œuvré aux côtés des autres associations pour la promotion des droits des personnes handicapées. Notamment, euh, nous faisons la, promotion de l'entraide entre les, entre les membres de, notre association. Euh, à ce titre, nous avons eu à concrétiser en termes d'action. Il y a des centres à l'intérieur du pays, notamment à Maradi, à Zender, à Agadez tout récemment. Et Niamey ne euh, déroge pas à, ça. Nous avons un centre vers le, le banc de Paris que l'État euh, nous a gracieusement offert qui fait à peu près, euh, dans la superficie système, à peu près à 2,5 hectares. C'est pour dire que en termes d'action, l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs est là et nous sommes majoritaires parmi les, les handicapés, les personnes handicapées du Niger. Je tiens aussi à rappeler, parce qu'il faut le préciser, vous parlez tout à l'heure des personnes en situation de handicap. Conformément à la Convention, je crois que le terme consacré pour les personnes handicapées est bien sûr les personnes handicapées, parce que comme vous l'avez un peu parcouru, à travers la Convention, on ne parle que des personnes handicapées. Pourquoi Parce qu'il faut d'abord euh, sauvegarder la dignité de la personne. C'est pourquoi on met la personne avant, après on met handicapé on n'est personne d'abord avant d'être handicapé. Donc, euh, c'est pour un peu rappeler en termes de, de concepts avant de rentrer dans le vif du sujet, eh, permettez-moi de rappeler l'article 3 des principes généraux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui dispose que les concepts fondamentaux que sont le respect de la dignité intrinsèque et de l'autonomie des personnes handicapées, la non-discrimination, la participation, l'intégration, l'éducation et l'accessibilité guident l'interprétation des obligations issues de la Convention. Mamadou ces principes sont-ils respectés ici au Niger Tout d'abord, il faut rappeler que le Niger a ratifié la Convention relative euh, aux droits des personnes handicapées le 24 juin 2008. Depuis lors, des efforts ont été réalisés dans le sens de son application parce que un comité a été mis en place auprès du ministère de la Population. C'est le comité euh, chargé du suivi de la mise en œuvre de cette euh, convention malheureusement, euh, ce comité est toujours euh, léthargique. Et en plus de ça, quelques séances de vulgarisation de cette convention ont été réalisées. Elle a été traduite en germain, en hausa, et quelques exemplaires de cette euh, convention ont été reproduites et vulgarisées à l'intérieur du pays. Et bien sûr que certains partenaires aussi ont eu à vulgariser cette convention, mais il faut dire que jusqu'à présent, cette convention est méconnue du grand public. C'est-à-dire on entend parler de la convention, mais le contenu, si vous regardez, si vous faites une analyse ou un sondage, vous allez voir que beaucoup de gens ne connaissent pas le contenu de la convention. Mahmoud Oumarou, vous êtes le secrétaire à l'éducation et à la formation de la Fédération des personnes en situation de handicap. Pourquoi euh, cette convention est méconnue du grand public selon vous c'est ça, je dis, cette convention est méconnue du grand public parce qu'il n'y a pas eu une large vulgarisation de cette convention. C'est-à-dire, les quelques vulgarisations qui ont été réalisées ont été réalisées dans les chefs-lieux des régions et au profit de quelques groupes les plus privilégiés. Donc, il va falloir faire une large diffusion de cette convention pour que euh, en tout cas la majorité de la population prenne connaissance du, contenu de la convention. C'est très important, c'est extrêmement important parce que si les autres ne connaissent pas les droits des personnes handicapées, ils ne peuvent pas aider les personnes handicapées à jouir de leurs droits. C'est-à-dire ce n'est pas aux personnes handicapées seulement de connaître cette convention, mais aussi ce qu'on appelle les porteurs d'obligations. Nous, nous sommes les titulaires, les détenteurs de droits, mais il y a aussi les porteurs d'obligations qui travaillent au compte de l'État et au compte du secteur privé. Ils doivent connaître le contenu de cette convention parce que c'est en cela qu'ils seront à même de contribuer à la réalisation des droits des personnes handicapées à travers cette convention. Maintenant, quand vous dites que est-ce que ces principes-là sont respectés ou pas, bon, je peux dire qu'ils ne sont pas totalement respectés. Même s'ils sont un peu respectés, ils ne sont pas totalement respectés parce que quand, quand vous prenez le principe de la non-discrimination. Aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles les personnes handicapées sont discriminées. Quand vous prenez le principe sur l'accessibilité, il y a beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Rien que la non-réalisation de l'accessibilité, ça fait, ça fait, partie des obligations de la Convention. Mais bien sûr, ça fait partie des obligations des États partis. Lorsque un État ratifie la Convention, ça veut dire que l'État s'engage à rendre progressivement accessibles les infrastructures. Là où l'État n'a pas les moyens de rendre les infrastructures accessibles, la Convention a fait une ouverture, elle a parlé d'un concept qu'on appelle aménagement raisonnable. C'est quoi l'aménagement raisonnable L'aménagement raisonnable, c'est-à-dire, c'est au cas par cas. Chaque personne handicapée a un besoin spécifique pour des questions d'accessibilité qu'on peut résoudre au cas par cas. Aujourd'hui, si une personne handicapée locomotrice arrive à Studio Kalangu et qu'elle ne peut pas monter l'escalier, normalement, le Studio Kalangu peut rapidement chercher un menuisier qui peut confectionner une rampe en planche. Ça ne coûte pas grand-chose à Studio Kalangu. Et il peut monter la rampe en planche. Ça, c'est aménagement raisonnable. Si, par exemple, un patron, non même, disons, qu'un agent de Studio Kalangu qui est au huitième étage est devenu handicapé suite à un accident, on ne va pas dire qu'on va le licencier parce qu'il n'y a pas d'ascenseur qui va au huitième étage. Non, on descend son bureau en bas pour qu'il puisse travailler. Ça, c'est l'aménagement raisonnable. Parce que si Studio Klangou dit que bon, je vais acheter un, ascenseur, peut-être ça va coûter très cher à Studio Klangou. Donc c'est pourquoi la Convention, elle a trouvé des moyens pour contourner certaines questions afin qu'on ne dise pas que non, il n'y a pas les moyens. Monsieur Mohamedou Mourou, est-ce que ces obligations sont contraignantes aux parti Mais bien sûr, c'est-à-dire le Niger, comme d'autres pays, ont ratifié beaucoup, ont adopté beaucoup de textes, beaucoup de déclarations. Mais vous savez, les déclarations ne sont pas contraignantes. L'avantage de cette convention, c'est qu'elle est contraignante. Tout pays qui ratifie cette convention, normalement, il est assujetti à des obligations. et le Niger qui a ratifié cette convention a des obligations. Et il doit rendre compte au comité des experts et qui siège euh, euh, au niveau de Genève. Et en cela, le Niger a élaboré le rapport initial, parce que deux ans après la ratification de cette convention, il est, fait obligation à l'État parti d'élaborer et d'envoyer son rapport initial. Et chaque quatre ans, d'envoyer ce qu'on appelle le rapport périodique. Donc le Niger a élaboré le rapport initial et il a envoyé. Et Normalement, on devait même envoyer le rapport périodique parce qu'on a ratifié la convention en 2008 et aujourd'hui nous sommes en combien Nous sommes en 2017. Donc, ça veut dire que si on est en train de suivre les règles, on devait même envoyer, en dehors du rapport initial, on est en mesure d'envoyer le rapport périodique. Mais jusque-là, le rapport périodique n'est pas élaboré. Mohamed Oumarou, au cas où un pays refuse de respecter euh, ses obligations, quelles sont les sanctions auxquelles ce pays euh, s'expose Il n'y a pas de sanctions comme ça, c'est-à-dire euh, de façon forte. Mais il y a quand même des sanctions qui sont liées à la crédibilité du pays. Lorsque, par exemple, un pays ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de la Convention. Le comité des experts, après avoir analysé le rapport initial ou le rapport périodique, il fait des recommandations au pays. Il dit, bon, vous avez progressé dans tel domaine, mais vous êtes en retard dans tel domaine, vous voudrez bien prendre des dispositions pour avancer. Et si le pays ne respecte pas cela, vous voyez, le pays va quand même siéger au niveau de la tribune des Nations Unies, là où on va comparativement donner, dire que le Niger est en retard en ceci, en cela, et je pense que le président nigérien sera gêné qu'on dise que le Burkina ou le Mali est très avancé sur telle chose et que le Niger est en retard. vous voyez, c'est gênant. Et en dehors de ça, il y a aussi les institutions des Nations Unies ou les institutions de Bretton Woods ou les, institutions de financement qui prêtent attention sur des questions des femmes, des questions des personnes handicapées ou des questions des enfants. Chaque fois que vous voulez avoir un financement, et si vous ne prenez pas en compte ces questions-là, et les, vous avez des difficultés à avoir ces financements. Et c'est pourquoi nos pays doivent faire des efforts pour avancer. Mais je crois que nos pays doivent faire des efforts pour avancer parce que le droit, c'est le droit. C'est-à-dire en dehors du fait que euh, les Nations Unies ou les associations de Bretton peuvent sectionner, nous-mêmes, en tant que titulaires des droits, nous pouvons porter plainte contre l'État du Niger en justice. Aujourd'hui, la direction ou bien euh, la direction des personnes handicapées qui a été supprimée, on va en venir, on va venir, Venons à présent sur notre thème du jour, objet d'une grogne la semaine dernière. Oumarou Barmou, quelles sont les raisons évoquées pour la création d'une direction d'assistance aux groupes vulnérables en lieu et place de la direction en charge de la promotion des droits des personnes handicapées et de la protection des personnes âgées? tout ce qui nous a été avancé et qu'on euh, a créé, et euh, on ne peut pas dépasser un certain nombre de directions selon les explications qui nous ont été fournies. Mais ce n'est pas ça le plus, le choquant. Vous savez, nous avons entamé des, des, procédures, nous avons entamé des négociations, nous avons fait vraiment beaucoup de diligence. mais toujours on nous dit euh, que ça va être réhabilité Bon, peut-être euh, nous avons eu tort de croire en ces, politiciens-là. Hum, je me rappelle encore, personnellement, j'étais euh, à la réception au niveau de la présentation du nouvel le 7 janvier 2017, quand euh, j'avais personnellement interpellé le Premier ministre par rapport à cette question-là. C'était le dernier moment où on a la dernière en, date. Il a répliqué carrément en disant, et je lui ai dit, les personnes handicapées ont des préoccupations, euh, son excellence. Carrément, il me disait, c'est quel genre de préoccupations que les personnes handicapées ont J'ai dit, c'est la question de la, la, direction en charge des personnes handicapées. Il a répliqué pour dire automatiquement que cette question a été réglée. Alors, euh, nous nous sommes endormis, je suis revenu, j'ai rendu compte à la fédération, j'ai dit, eh, écoutez, il y a un sage du Niger euh, on est en train de crier qu'il un sage. Lui, il m'a dit aujourd'hui, à qui veut l'entendre, que cette direction a été réhabilitée. Euh, nous sommes là, nous sommes revenus, parce qu'il n'y a pas en fait des raisons à ne pas croire. Si de la minute jusqu'au jusqu'au Premier ministre, on nous rassure que ça va être réhabilité, nous ne pouvons que nous réjouir voilà que. Euh, Omar Barmou, euh, vous êtes le président de l'association des handicapés locomoteurs. Depuis cette rencontre-là, est-ce que vous avez eu, euh, eu à rencontrer le Premier ministre ou bien est-ce que vous avez fait des tentatives Les tentatives, on n'en parle même pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ça me fait mal parce que c'est une triste réalité. Nous avons des problèmes avec la démocratie, nous les personnes handicapées. Nous avons fait une analyse de tous nos textes. Presque tous nos textes proviennent ont été pris pendant les, différentes transitions au Niger. Bon, peut-être, euh, je ne sais pas, hein, c'est quelqu'un qui a dit que la, démocratie ne va pas avec euh, la défense des droits des personnes handicapées, mais je crois qu'il se trompe. Pour revenir à votre question, je vous avoue que euh, même la fédération dont mon association est membre a entrepris des démarches, notamment à travers le, le dépôt, la demande d'audience, plus de cinq demandes d'audience non abouties tout récemment aussi, on a fait une tentative. On va voir ce que ça va donner. Au niveau de mon association aussi, nous en avons fait. Mais nous, tout, ce que nous, faisons, excusez-moi, nous nous faisons toujours sous la bannière de la fédération. Parce que s'il y a ce genre de difficultés à, à, il faut, il, faut, il faut aller vers la fédération parce que c'est une question hautement sensible qui dépasse, euh, si vous voulez, euh, le cadre associatif. Euh, au niveau donc il, faut, il va falloir aller vers la, fêtière pour qu'on puisse ensemble renforcer notre, notre force pour aller euh, euh, entreprendre cette, cette lutte-là. Selon vous, est-ce que votre grogne de la semaine passée est justifiée eh Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez Si nous sommes dans une république, hein, ce n'est pas, ce, une, nous sommes pas dans dans un dans une jungle, nous sommes dans une république, il y a des règles à respecter. Nous, nous, sommes réunis, nous avons dit que, écoutez, euh, après euh, tout ce temps de répit, tout ce temps euh, qu'on a observé, qu'on a donné l'occasion aux, autorités de, revenir, les autorités n'ont pas daigné satisfaire à nos, revendications. Donc, ce qui nous amène maintenant à aller, à accéder au, à un second plan, parce que si nous avons fait des demandes euh, d'audience, nous ne sommes pas entendus. Je pense que euh, notre grogne de la semaine passée... Le second plan, c'est quoi Le second plan, c'est la première étape. Vous l'avez vu, vous, étiez témoin. Les médias étaient là quand nous avons euh, déposé cette demande d'audience encore pour la énième fois. Nous avons appelé les médias pour les prendre en témoin, l'opinion nationale et internationale aussi. la prochaine étape, nous nous souhaiterons vous faire une euh, surprise par rapport à ça. Mais nous vous garantissons que déjà, nous ne pouvons pas nous départir euh, du cadre légal. Nous avons toujours œuvré pour faire ça dans le cadre légal. Mohamed Oumarou, vous êtes le secrétaire à l'éducation et à la formation au niveau de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Votre fédération en contexte cette euh, nouvelle appellation et l'idée d'assistance, pourquoi Bon, euh, vous savez, la question des personnes handicapées a toujours été gérée par euh, une direction euh, qui a été nommée direction des réformes sociales, puis c'est devenu direction de la protection sociale, puis c'est devenu direction de la protection des personnes âgées et de la promotion des personnes handicapées. Lorsque, lorsque cette direction a été érigée en direction des personnes âgées et promotion des personnes handicapées, nous nous sommes frottés les mains et nous avons salué cela parce que nous avons trouvé que c'est une grande avancée. Pourquoi c'est une grande avancée Parce que ça s'inscrit dans la logique de la réalisation des droits. S'il n'y a pas une direction, nous sommes noyés dans la direction à travers une division ou à travers un service. Maintenant qu'on a une direction, nous sommes contents parce que nous faisons, partie des instances de décision. Vous savez, la direction, c'est une étape décisionnelle très importante. Parce qu'au niveau d'un ministère, c'est les directions techniques qui prennent les grandes décisions toutes les grandes décisions sont prises au niveau des directions techniques. C'est pourquoi nous, nous sommes dit qu'il nous faut une direction. Si on ne peut pas avoir un ministère entier, comme dans les autres pays anglophones, il nous faut au moins une direction technique qui va prendre des décisions très importantes. Et nous avons le droit en cela parce que le Niger a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Niger a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et le Niger a ratifié la convention relative aux droits des enfants. Et c'est à cause de ces conventions-là que le Niger a créé la direction de la protection de l'enfant. Le Niger a créé la direction de la promotion de la femme. Pourquoi le Niger ne peut pas créer une direction de promotion des droits des personnes handicapées Pourquoi le Niger est gêné d'avoir une direction de promotion des droits des personnes handicapées. Pourquoi Alors que nous représentons 715 000 personnes handicapées. Ça aussi, c'est des chiffres que réellement, si le recensement a été bien fait, nous devons représenter 15% de la population des de, de, de, la population nigérienne. Et 15% de la population nigérienne, nous sommes aujourd'hui 17 à 18 millions. Vous voyez, 15 millions de, 15%, euh, c'est beaucoup. Et c'est pourquoi nous réclamons qu'en lieu et place de cette nouvelle direction qu'ils ont créée et qu'ils ont intitulée Direction d'assistance des personnes vulnérables, nous, on dit qu'on ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas parce qu'on est noyé dans les personnes vulnérables et les personnes vulnérables, et ça veut dire que on va créer une division des personnes handicapées, on va créer une division des personnes âgées, on va créer une division des je ne sais pas et qui d'autre Puisque les femmes, et si on dit les personnes vulnérables, c'est qui C'est les femmes, c'est les enfants, c'est les personnes handicapées, c'est les personnes âgées. Mais puisque les femmes, les enfants, ils ont une direction, chacun, euh, chacun a une direction, donc ça veut dire que eh, c'est les personnes âgées, les personnes handicapées eh, qu'on a regroupées là-bas, plus peut-être les indigents, et on, va créer des divisions pour eux. Et, comme ça, on ne ah, sait pas. En, vous ne vous retrouvez pas. Vraiment, on ne se retrouve pas et nous revendiquons à ce que cette direction de promotion des personnes handicapées soit euh, réhabilitée. Alors, Mohamed Oumarou, selon vous, est-ce que cette décision du gouvernement est discriminatoire Mais bien sûr, elle est discriminatoire et d'ailleurs, là où elle est, gravement discriminatoire, c'est que nous avons fait tous les plaidoyers nécessaires pour que cette discrimination ne soit, pour que cette décision change. Mais malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Pour rappel, en 2015, quand ils ont suspendu ou quand ils ont supprimé cette direction, parce que ça a commencé en 2015, le 25 juillet 2015, nous avons rencontré la ministre de la Population. À l'époque, elle était nouvellement venue. Elle a pris un engagement de faire le plaidoyer, de voir le Premier ministre pour que cette direction soit réhabilitée. Et nous avons cru en cela, nous lui avons concédé cela. Nous nous sommes dit que lui fait des concessions parce qu'elle est nouvellement venue. Et cette année, on n'avait même pas fêté la journée nationale des personnes handicapées parce qu'on était mécontents d'apprendre que la direction des personnes handicapées était eh, supprimée. Et nous, avons continué le plaidoyer, comme l'a dit M. Omar Bormou, jusqu'à rencontrer le Premier ministre qui a aussi pris des engagements de réhabiliter cette direction. Tout cela n'a pas permis, en tout cas, d'honorer à ces engagements-là. Et c'est là où nous sommes déçus. Nous sommes extrêmement déçus par la suppression de cette direction. Parce qu'il y a eu en amont beaucoup de choses qui nous ont déçus, mais nous nous sommes dit que le gouvernement est dans une situation où on n'a pas besoin de mouvement. On a besoin de paix au Niger. On a besoin que chacun contribue au développement du Niger pour que les choses marchent. C'est pourquoi nous sommes restés tranquilles. Nous, sommes apaisés, nous avons apaisé nos esprits, nous avons apaisé les esprits de, notre base pour qu'il n'y ait pas de mouvement. Mais avec la suppression de la direction, nous sommes conscients au mur. Parce qu'avant la, avant la suppression de la direction, je disais qu'il y a eu le déguerpissement qui a touché les personnes handicapées. Nous avons vu les autorités. Ils n'ont rien fait. Il y a eu le comité national de promotion des personnes handicapées qui a fait deux ans sa réunion. Nous avons toujours interpellé le ministère, mais jusque-là, vainement. Il y a eu aussi les journées nationales et internationales qui ont été, depuis ces, deux dernières années, toujours bâclées. Alors, Mohamed Oumarou, est-ce que cette décision du gouvernement peut être considérée comme une entorse à la Convention Mais bien sûr, c'est une entorse à la Convention parce que la convention, c'est un instrument juridique. Et tout instrument juridique, il est mis en œuvre à travers des institutions. Et l'institution qui doit mettre en œuvre eh, cet outil n'existe pas. Le maillon fort de ces institutions n'existe pas, qui est la direction de promotion des personnes handicapées. Même si le ministère de la population existe, mais la direction des personnes handicapées n'existe pas pour véritablement orienter les actions en faveur des personnes handicapées. Le gouvernement doit élaborer un plan d'action de mise en œuvre de cette convention. Depuis sa ratification jusqu'à aujourd'hui, ce plan n'a pas été élaboré. Si on supprime la direction qui est en train de réfléchir sur l'élaboration d'une stratégie ou d'un plan d'action, qu'est-ce qu'on veut alors, Mohamed Moro, est-ce qu'il y a eu des précédents au Niger, des cas similaires Il faut dire que euh, en, 2001, euh, le gouvernement a suspendu les subventions qu'il a accordées aux associations des personnes handicapées. on a fait le plaidoyer pour la réhabilitation de ces subventions-là. Le gouvernement a fait sourde oreille et cela nous a amené a organisé une marche. À l'époque, les personnes handicapées ont été gazées. Ils ont été eh, bâillonnés. Et les médias ont relayé à l'international. Le premier ministre à l'époque, c'était Hamadou. Il a appelé la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Il était indigné. Et c'est ça. nous sommes en train d'interpeller le gouvernement actuel pour qu'on n'arrive pas à ce genre de choses. Parce que si ça s'empire, ça veut dire que les personnes handicapées vont sortir. Ils vont marcher dans ce pays-là et on ne veut pas arriver à cela. Ce n'est pas bon pour l'image du Niger. Alors, Mohamed Omar, on va venir, revenir vers vous, le temps de donner la parole à Omarou Barmou, le président de l'Association des handicapés locomoteurs. Alors, euh, Oumar Barmou, quelles sont les actions que vous envisagerez pour amener le gouvernement à reconsidérer sa décision Je pense que euh, les actions, comme j'ai eu à le rappeler, se cadre toujours dans, le, dans, notre organisation officielle, Mais euh, de notre côté, au niveau de l'association des handicapés locomoteurs, nous comptons déjà euh, mener une campagne, une très large campagne de sensibilisation pour euh, nos, nos, membres, parce que je vous ai rappelé que nous sommes les majoritaires parmi les personnes handicapées et que si aujourd'hui euh, les autorités décident de supprimer cette direction, je pense que déjà euh, ce qu'il faut faire pour les actions futures, c'est de sensibiliser euh, les militants, et les différents membres, pour que tout un chacun sache que dorénavant, nous, qui se tiennent prêts à répondre aux mots d'ordre que nous avons, nous allons eu à donner dans le cadre du durcissement de notre lutte si jamais, je dis si jamais et les autorités ne nous écoutent pas. Mais nous souhaitons quand même euh, que cette affaire-là ne, se, termine pas ainsi. Un scénario plus ou moins euh, consensuel qui consiste tout simplement à nous appeler, à échanger et qu'on puisse réhabiliter euh, cette direction-là pour que les choses puissent se passer dans les normes. Alors, Omar Barmou, à part les rencontres de sensibilisation, les déclarations, est-ce que vous avez des moyens euh, légaux à votre disposition pour vous faire entendre Les moyens légaux, euh, comme euh, j'ai eu à vous le dire, ils sont nombreux parce que quand nous sommes dans un état de droit, comme toutes les associations, nous sommes tenus à faire comme ce que nous avons fait avant, cest en 2001, comme l'a bien si rappelé M. Mamadou Moro. La deuxième partie de ce forum est consacrée à la recherche des voies et moyens pour faire de la promotion des personnes en situation de handicap une réalité au Niger. Alors, Omarou Barmou, je vais commencer avec vous. Euh, quels sont les efforts du gouvernement en matière de promotion des personnes en situation de handicap Avez-vous quelques exemples il y en a des exemples, hein, comme euh, nous l'avons souligné au début, c'est-à-dire depuis, avant même l'arrivée de la Convention, Déjà en 1993, euh, le gouvernement, les autorités ont pris une ordonnance, l'ordonnance 93-012 du 2 mars 1993, qui déjà, avant l'arrivée de la Convention, a eu à concrétiser un certain nombre de droits aux personnes handicapées, mais malheureusement, euh, dont euh, l'application reste encore un peu à désirer. Je vous donne un exemple. Euh, sur le domaine de l'éducation, euh, pas de l'éducation, sur le domaine euh, de la santé, nous bénéficions d'une prise en charge totale à 100%, en tout cas en ce qui est des de, frais de consultation. Mais il se fait que cette prise en charge était consacrée par un décret 496 qui est général, qui concerne tous les fonctionnaires, et que on nous dit que c'est seulement les hôpitaux nationaux, nationaux c'est-à-dire cette prise en charge n'est valable qu'au euh, niveau des Niamey, si on peut le dire, à Zender, mais les autres, parce que le Niger ne se limite pas seulement à ces deux, régions-là, là où on a les hôpitaux nationaux, et les personnes handicapées dont la majorité se trouve en campagne. Comment ils vont, ils vont, ils vont se faire Est-ce que vous avez fait des plaidoyers dans ce sens-là euh, au, au, niveau des, promoteurs des cliniques, euh, est-ce que vous avez <laughs> Non, ça, ce n'est pas possible parce que le décret a été très clair, c'est seulement au niveau des hôpitaux publics. Donc, euh, faire un plaidoyer euh, dans le cadre de la prise en charge au niveau des, cliniques, ce n'est pas possible. De, On va peut-être euh, creuser un peu, voir si c'est possible. Je vous, parle aussi du domaine de l'éducation, dont on n'a pas eu de grandes avancées. De grandes avancées, l'emploi aussi. L'article 21 de cette ordonnance parle de l'emploi des personnes handicapées. Depuis 1993, quand l'ordonnance a été prise, il a fallu 2007, après la grogne de 2000. il a fallu 2007 pour qu'on puisse euh, voir un début euh, d'application de cette loi. Et de, cet article. Et l'ordonnance parle de l'emploi et du public et du privé. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est seulement euh, au niveau du public. Les choses ne sont pas très faciles au niveau du privé. Nous n'avons pas encore enregistré un début d'application dans ce domaine-là. Il y a un autre aspect aussi, pour vous dire que les autorités ont déjà fait beaucoup de choses parce qu'il y a aussi une carte de solidarité avec les personnes handicapées qui nous, qui nous donne beaucoup d'avantages. Maintenant, pour avancer un peu, avec euh, cette convention de, 2008, il y a eu beaucoup qui, est venu non seulement euh, réaffirmer les, droits, les droits de tous les droits de l'homme pour toutes les personnes handicapées. Euh, pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses, mais la chose la plus marquante, peut-être l'une des choses les, plus marquantes, c'est l'institution d'enfants dédiés aux personnes handicapées. et la mise en place de ce comité-là, dont Mohamed Oumarou parlait tout à l'heure, qui tarde à démarrer ses activités ou bien la continuité de ses activités parce que depuis deux ans maintenant, vous avez constaté que c'est la léthargie absolue. Alors, Mohamed Oumourou, vous qui êtes le secrétaire à l'éducation et à la formation au niveau de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap, eh, quelles sont les principales euh, difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap au Niger Bon. <coughs> Approchez euh, micro, approchez. Les, difficultés rencontrées, euh, il y en a beaucoup, eh, parce que vous voyez, les personnes handicapées qui travaillent euh, devant euh, les différentes institutions de la place, qui n'arrivent pas à écouler leurs produits, ça c'est la première difficulté. C'est-à-dire, il faut que le gouvernement arrive à trouver un mécanisme d'écoulement des produits des personnes handicapées. Parce que quand on veut lutter contre la mendicité et que les gens qui travaillent n'arrivent pas à écouler leurs produits, c'est tout à fait normal qu'ils retournent sur le marché de la mendicité. Et ceux qui sont sur, marché, sur le marché de la mendicité, qui veulent aussi eh, quitter ce marché-là, ils ne sont pas encouragés parce qu'ils voient déjà eh, eh, les gens qui travaillent n'arrivent pas à gagner leur pain. Donc, ça, c'est la première étape. Et il faut faire en sorte, vraiment, il faut faire en sorte que tous les enfants handicapés, que tous les enfants handicapés aillent à l'école. C'est comme ça qu'on peut couper avec la mendicité. Parce que quand un enfant est instruit, il a du mal à aller mendier. Même s'il ne réussit pas à l'école, en tout cas, il a du mal à aller mendier. Du coup, il va s'orienter vers les activités professionnelles. Ça, le gouvernement euh, doit réfléchir à ça et trouver euh, une solution. Et l'autre chose, j'invite le gouvernement à réfléchir sur des mesures de protection sociale, comme dans les autres pays. C'est-à-dire, les personnes handicapées peuvent bénéficier d'un minimum pour se vivre C'est comme ça qu'on peut aussi couper avec la mendicité. C'est un autre palier pour couper aussi avec la mendicité. Est-ce que, selon beaucoup euh, d'observateurs et selon beaucoup de, chercheurs, la mendicité, c'est un phénomène euh, culturel, c'est ça Bon, c'est un phénomène culturel, mais c'est un phénomène aussi contraignant, c'est-à-dire les, les personnes handicapées que nous avons interviewées, beaucoup d'entre elles euh, nous ont dit que c'est par contrainte qu'elles font qu'elles pratiquent cette mendicité. Parce que il y a la question de la dignité. À travers cette mendicité-là, votre dignité est bafouée. Vous voyez Donc, il y a beaucoup de personnes handicapées qui, aujourd'hui, si vous leur donnez quelque chose à faire, ils préfèrent gagner leur pain à travers leur sueur qui est d'aller tendre la main. Alors, on va revenir vers vous, euh, le temps de donner la parole à Omar Barmou. Omar Barmou, quelles sont vos propositions afin euh, d'éviter un éventuel bras de fer entre le gouvernement et les personnes en situation de handicap c'est d'interpeller, c'est de lancer un cri de cœur au niveau du Premier ministre, sage qu'il est, et vraiment de voir ce mois béni de Ramadan, de nous appeler pour qu'on puisse échanger. Je pense que si nous échangeons, nous allons trouver certainement une solution par rapport à cette question. La meilleure d'arme, je pense que c'est de, de, nous appeler pour euh, la proposition, en tout cas moi que je vois dans l'immédiat, c'est de nous appeler et nous allons discuter autour d'une table pour euh, trouver une solution par rapport à cette euh, affaire de suppression des directions. Mahmoud Omorou, rapidement, vos, oui, la... propositions Oui, euh, les propositions, c'est de. Premièrement, c'est de créer les conditions d'un dialogue entre la Fédération nigérienne des personnes handicapées et le gouvernement. Et de donner aussi satisfaction aux revendications de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, c'est-à-dire réhabiliter la direction de promotion des personnes handicapées et de d'accroître aussi les subventions des associations des personnes handicapées. Parce que je vous informe, ça fait à peu près euh, trois mois que les subventions des associations des personnes handicapées ont été revues à la baisse. Ont été revues à la baisse. Donc il faut que le gouvernement le sache et qu'il revoie à la hausse euh, cette subvention-là. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Mohamed Oumarou, secrétaire à l'éducation et à la formation à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Nous étions aussi avec euh, Oumarou Barmou, président de l'association des handicapés locomoteurs. Merci à vous tous euh, de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec une autre thématique. Merci, au revoir. うん。